Je suis le di nuyu di di nuyu président Bougane ak délégation parce que comme nous le ko ici, de ci président Bougan c'est un homme multidimensionnel qui a plusieurs casquettes Et il na seule casquette bu ko journaliste patron de presse euh, homme d'État présidentiable ça. euh, président Bougane vit këram et je pense que même si je suis ba créer entreprise am ou na lool Walfadjri le na de la Lamine Et te gëm naa ne Lamine Niass de il serait un militant actif de gëm sa ne dina ko gunge buntu dernière fois que nous avons été, naa ko Bougane suis président damay fait. parce que si nous jafe fait, xam nga ko donc secteur presse moom donc de la ko ñaanal parce que xamna ne que vraiment euh, euh, nitu conviction ga et li nga woné yépp je pense que don nga wax euh, balaa ngay créer des médias que ce défi c'était balaay sans ngay am atu sans pap di nga am entreprise bi mu yëkëti alal bi mu am ak daraja bi mu am et je pense que loolu tay yalla baxé na lako euh, nous, depuis deux ans trois ans nous moo ñuy acharné je pense qu'il y a deux ans nous avons nous couper coupé le signal pour trois jours Nous avons au mois de février nous coupé nous pour une semaine donc l'objectif c'était de monter de palier Nous nous coupé pour un mois nous nous ñuy coupé ça, nous avons durée Nous avons les raisons il nous a rek que Babacar Diagne bi nga xamante doon coupé à chaque fois il nous a appelé dès le début ce c'est pas lui moo taxoon a yaakaaroon ne que fii c'est technique bi ñu demee ba organiser suñu sit-in ñu interdire on est venu ici ici salle d'afficher un un point de presse en direct Nous dénoncer que ba léegi nous notification parce que notification tey un lay may de saisir le juge des référés comme ça mu prononcé ou fait que des lever suspension yalla def ci direct bi ministère a envoyé notification et on s'est rendu compte que c'est une suspension de un mois article 1 du 1er juin au 1er juillet article 2 en cas de récidive retrait définitif donc euh, dernier palier bi c'est le retrait définitif amatul suspension deux mois ou de trois mois prochaine étape next step c'est le retrait définitif motax ñun euh, dinañ jënd ñun tamit carton rouge pour wane que ñun tamit on va pas se laisser faire donc euh, l'État a antidaté cette notification a déposé euh, un recours auprès de la chambre administrative de la Cour suprême donc dinañ laaj ñu lever suspension bi té tamit dinañ laaj ay dédommagement donc son avocat a déposé un ko tay le premier la première chose deuxième chose que euh, y a eu un élan de solidarité extraordinaire Narté, sénégalais yi bi parce que forcément nous ne sama dans doon waxee rek y yi ñaar le recette la dépense recette su amatul rek faaw nga ay dépenses donc on a été obligé d'annoncer euh, chômage technique du personnel et aussi ne a ah ay licenciement collectif nag du sénégalais ne non loolu du fi Nous ñu ne lii suñu le patrimoine national comme nous ko Oustaz citoyen moo ñëw le mot d'ordre Sénégalais de manière extraordinaire le côté Wave bi commencé à participer man mi yoy won sama téléphone di xol ci bi plateforme bi manam danaka à sax actualiser chaque seconde ay 1000 francs 100 francs 500 de manière continue état bi parce qu'en quelques heures on a mobilisé collecté le 40 millions en 3 heures 4 heures de temps mou l'air la ne lii suñ un jour le deux jours rien na dinañ jege milliard état donc coupez nous euh, aussitôt Wave on va vous donner dès demain donc le samedi 10 une réquisition pour vous pour que vous arrêtiez Wave tamit suspendre aussitôt le lendemain nous antidater. comme nous, nous la suspension nous antidater tamit euh, suspension ou qui euh, Wave À quoi waa Orange Money ne leen euh, bloqué leen somme et te delloo leen ko donateur et en même temps aussi ñu calqué ko si signalu télé parce que suspension bi c'est jusqu'au 1er juillet donc foofu tamit beneen acharnement la donc euh, di sant yàlla bu baax ndaxte yàlla su tëjee bunt rek am na yeneen bunt yu donc voilà sénégalais yi nag non même su fekkee tey Wave amul ñoom ñoo proposé ne édité leen benn journal ngeen jaay ko à 1000 francs nous avons ñu jënd tiré à 1 million d'exemplaires Nous avons waxee loolu may leen symbolique le premier numéro là où tout a commencé le 13 janvier 1984 Le 13 janvier 1984 il avait 34 ans euh, muy nekkoon si xaaju il a vécu 68 ans donc 34 ans après euh, le génn àdduna j'ai 34 ans mu mel un symbole et le fait que Nini Watt le premier numéro, c'est pour montrer que l'histoire se répète, c'est un éternel recommencement. Et sur lire les journaux, lui, c'est comme si Taylor co édité. Il y a tout, affaire au Casamance, affaire au euh, France-Afrique. Donc, tout, ces premiers numéros viennent pas de la manière éditoriale. Pourquoi Wal Fadri Voir ses ambitions nées vers le quotidien islamique. Donc, moi, il commençait par un bimensuel, mais son objectif, son ambition, sa vision, c'était le quotidien donc pour wax la ne que Walfadjri fondation dëgër na souvent damay wax ni je ne leen man wax mérite parce que c'est pilote pilotage automatique la waaw suis un fondateur Walfadjri il je fi vraiment dëgër na euh, un dirigeant et moi, je me considère comme je suis un gardien mais s'il n'y a pas de difficulté mon mun naa ay la preuve euh, Togo je pense de 2019 à 2023 daanaka dafa ma une sortie Rien lii sax daf ma parce que le Japon, a que dinaa 10 ans 20 ans mais voilà tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise on nous a attaqué à plusieurs reprises notre objectif c'est d'être la voix des sans voix du côté des faibles Amna ay médias leur ligne éditoriale c'est d'être du côté du fort notre objectif je pense que nous, avons beaucoup de avec la masse Moi, tax tey soo carton rouge 100 francs 500 francs 1000 francs Nous, am ñun tamit caisse. chaque jour ça a une ubbee Et loolu ngay gis si on 1 million 2 millions donc pour vous dire qu'il y a un élan de solidarité nous nous nu musul gis ñun te wax Nous yàlla ñooy à ñu que nous Sénégal lii de la ministre doon wax fexe leen ba dëgg rek nek sen doole fexe leen ba bu len yeb sen askan xam len ne ben patron ngeen am moy le peuple sénégalais loolu tay mom moom moo am ndaxte moi bi tay suñu démé ba mën ko fay à 100 c'est le peuple sénégalais moi, bi suñu ko fayee parce que tay la télévision c'est notre principal gagne-pain waaw radio bi tay wala journal bi demeetul non ñu ci ben jamono nga xamante y'a concurrence bi tay machallah médias donc il y a une concurrence qui est énorme donc moi on a besoin de tous nos supports Si nous manquons de support donc dañ koy yëg mais ce mois-ci Inch'Allah, nous y a un que chômage technique bi euh, nous ko éviter et suñ ko éviter tamit jàppaleen ne que au Sénégal parce qu'il y a une mobilisation sans précédent en tout cas le président de la ñaanal c'est yéen yëpp wax

mu ne def ñaan allah. Euh, ñu ñaanandoo yàlla jàppale ñëpp yàlla tàgganti tak-tak yi saafara jàngoro yi tegg tiis yi euh, may ñu euh, suñuy mébét yëpp yàlla yombalal ñu nañu fay àggee ñu jàngandoo rek fatiha julli ci yonent bi def ñaan boobu Also wieder ähnlich.